le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre forum du studio Kalangou. Les forums du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Baisse du taux de réussite au baccalauréat 2019, cause, impact et solutions. Les résultats globaux des examens du baccalauréat session 2019 ont été proclamés à Niamey le 15 août par le service des examens du baccalauréat sous la coupe de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette année, ils sont au total 65 311 candidats inscrits sur toutes les du territoire national. Parmi eux, 62 226 candidats se sont réellement présentés, donc 3 085 n'ont pas composé. Un effectif néanmoins supérieur à celui de 2018 avec une augmentation de l'ordre de 6%, soit 3 474 candidats de plus. Ces candidats ont été répartis dans 150 jurys, dont 49 à Niamey. Enfin, il convient de retenir que le taux de réussite 2019 est de 26,56% et plus faible depuis 2013 selon la direction des services des examens du baccalauréat. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre pourquoi cette chute sérieuse du nombre des admis, quels sont les impacts que cette baisse peut avoir pour la poursuite des études des élèves, mais aussi quoi mettre en route pour éviter le gouffre. Pour ce faire, nous avons dans ce studio A Dr Hiro Tanimoun, représentant la direction du service des examens du baccalauréat. Dr Hiro Tanimoun, bonsoir. Oui, bonsoir. Moussa Bizo, président de la coalition des ONG, associations et syndicats du secteur de l'éducation pour une éducation pour tous à EPT. E Moussa Bizo, bonsoir. Bonsoir. Et Soumaïla Oumarou de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire. Soumaïla Oumarou, bonsoir. Bonsoir, au microphone, Mokhtar Hamadou. Docteur Nimoun, quel enseignement peut-on tirer des résultats de la session du baccalauréat 2019 Merci, M. Euh, monsieur Mokhtar. Bonjour, Mokhtar. Bonjour, chers euh, collègues, invités, chers camarades. Euh, bonjour à tous nos auditeurs. Comme vous l'avez si bien dit dans cette belle présentation, le euh, les taux euh, de réussite aux examens du baccalauréat 2019, c'est l'un des taux les plus faibles. Vous l'avez mentionné dans votre déclaration depuis 2013. Depuis 2013, effectivement, on n'a pas enregistré un pareil taux, en tout cas aussi faible. Donc je pense que cette situation doit interpeller tous les acteurs, le gouvernement, les enseignants, les élèves, les parents de l'œuvre et les citoyens qui œuvrent quand même pour euh, une amélioration du système éducatif national. Euh, je pense que euh, cela doit nous interpeller et si nous devons analyser, il y a plusieurs causes. Contrairement à ce que l'on pense, hein, ce sont des sujets qui sont les sujets qu'on propose aux élèves. Ce sont des sujets qui sont proposés par des enseignants du secondaire c'est des enseignants du secondaire. Il y a ce qu'on appelle les commissions de choix du CIG. C'est des enseignants du secondaire. SVT, maths, physique, PC. Donc, ils se basent sur le programme. Eux-mêmes, ils enseignent. Souvent, il y a des inspecteurs, il y a des conseillers pédagogiques dedans. Mais toutes les épreuves ont été proposées par des enseignants du secondaire. Donc ça veut dire que ce sont les retards académiques des années antérieures qui sont en, train de rattraper les élèves. Effectivement, Mokhtar, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Puisque c'est un résultat, si le taux est faible, il faut incriminer. C'est comme en fait euh, un thermomètre. Le thermomètre donne une température. Mais on ne peut pas, comme on le dit, casser, la température en cassant les thermomètres. Ce n'est pas les examens eux-mêmes, mais c'est le système éducatif. Voyez-vous, euh, je ne sais même plus si on valide toutes les années. Il faut interroger le système éducatif en lui-même. D'abord, les investissements, ensuite la qualité de l'enseignement, ensuite les élèves eux-mêmes. Ça fait déjà trois facteurs où on peut poser des diagnostics très sérieux. Par rapport, par exemple, aux élèves, le troisième facteur, si vous voyez, aujourd'hui, les élèves bénéficient de beaucoup de choses que nous, nous n'avons pas. L'Internet. Hein. L'Internet. Mmh, mmh. Et malheureusement, ça produit vraiment euh, l'effet contraire. contraire, voilà, l'effet contraire. Au lieu que bon, on est vraiment euh, euh, plus, c'est le contraire qui se pose. Est-ce que là, la responsabilité des parents n'est pas à signaler Oui, la responsabilité des parents est effectivement à signaler par rapport à cela. Donc, euh, si vous voyez encore un autre facteur, aujourd'hui, les élèves, ils aiment trop la facilité. Cette année, euh, vous n'êtes pas seul de savoir hein, que qu'il y a des réseaux de tricherie qui ont été démantelés. La Halcia, elle est actuellement sur des dossiers. Il y a des groupes WhatsApp qui ont été constitués par des élèves où, dès qu'on donne l'épreuve, ils balancent ces épreuves-là qui sont automatiquement corrigées et renvoyées. Je pense que si on triche pour réussir, demain, on sera un voleur. Donc c'est même une question d'éthique qui se pose ici. Nous voulons des résultats, mais nous voulons des résultats propres. Et à ce propos, je pense que la direction des examens du bac a réussi le pari d'organiser des examens propres. Nous, c'est ce qui nous incombe, des examens propres où tout le monde est mis au même, à un pied d'égalité. Parce que justement, les fraudes posent des problèmes. Les élèves qui n'ont pas travaillé, c'est eux qui vont réussir en cas de fraude. Ceux qui ont passé des nuits blanches, vont échouer simplement parce qu'ils n'ont pas quelqu'un ou parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et cela pose un problème de rupture d'égalité entre les citoyens. Et je pense que ces paris-là, effectivement, d'organiser des, examens propres, personne ne nous dira le contraire, ces paris-là a été gagné. Les quelques cas des tricheries qui ont été démantelées un peu partout, surtout à Niamey. Actuellement, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. La Alcia, elle est sur les dossiers. Euh, je peux revenir sur d'autres facteurs. Hein. Euh, le système éducatif en lui-même, il y a des problèmes. Si vous prenez euh, au niveau de l'enseignement, très souvent, ce que nous avons, il faut donner à César ce qui lui appartient. nous avons des problèmes sérieux. Il faut qu'on s'engage pour une qualité de l'enseignement. Voilà. Par exemple, nous, au niveau du service BAC, il y a deux ans de cela, nous avons institué une réforme qui consiste à exiger, par exemple, que tous les enseignants qui remplissent les fiches joignent à ces fiches-là leur diplôme pour qu'on sache réellement. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait On avait des cas où des agronomes partent corriger philo, des cas où des euh, psychologues machin, disent n'importe quoi. Donc ce, ce, sont des nouveautés. Ce sont des nouveautés. Maintenant, quand vous remplissez la fiche en tant qu'enseignant, il faut joindre à cette fiche-là une copie de votre diplôme. Maintenant, dans les établissements même, il y a des problèmes. Par exemple, vous avez beaucoup d'agronomes qui enseignent SVT, vous avez beaucoup de psychologues qui enseignent SVT, vous avez beaucoup d'économistes qui enseignent mathématiques. Or, si on peut enseigner mathématiques en étudiant économie à l'université, on aurait dit carrément supprimer la filière MP maths physique à l'université. Donc tout cela, c'est à repenser. Il faudrait qu'il y ait une adéquation des profils. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Docteur Hirota dans quelles conditions la session du baccalauréat s'est déroulée au Niger et qui pourrait expliquer cette euh, baisse de réussite euh, De façon globale, euh, il y a beaucoup de problèmes. Il y a quelques années de cela, les jurys étaient, par exemple, c'était des jurys de 300. Un jury costaud, il y a quelques années de cela, c'est un jury de 300 par exemple, cette année, si vous prenez les jurys que nous avons, par exemple, tous les jurys de Niamey sont des jurys de 500 candidats. À l'intérieur, nous avons même des jurys de 600 candidats. Il y a une augmentation drastique de l'effectif. Vous avez les tableaux ici. Donc, vous avez des jurys de 560 candidats, vous avez des jurys de 548, 79 candidats. Donc, tout cela, c'est des problèmes. Parce que justement, c'est le problème des moyens qui fait justement qu'on est obligé de concentrer. Là où on doit avoir des jurys de 300, on a parfois des jurys de 600 candidats. Et cela aussi peut poser des problèmes par rapport à la correction. Docteur Hirotanimoun, quelles sont les innovations apportées et les difficultés rencontrées cette année Effectivement, Mokhtar, l'année passée, par exemple 2018, nous avions 125 jurys. Cette année, on est passé à 150 jurys effectivement, il y a beaucoup de localités parce que vous savez, au lieu de déplacer les élèves, par exemple, si vous prenez Liboré, si vous prenez encore Loga, c'est un nouveau centre aussi. Vous prenez Badegichiri, c'est un centre. Il y a au moins huit nouveaux centres qui ont été créé, voilà, justement, Loga, Koremeirwa, Safo, dans la région de Maradi. À Difa, vous avez Ngingimi, où Ngingimi avait plus de 100 candidats, mais il se déplace pour venir à Difa. La logique a voulu justement que cette année, on ait créé un centre là-bas à Ngingimi. Donc, euh, vous avez Kirozerine aussi, vous avez également Taketa, donc, euh, on a un peu partout des nouveaux centres qui sont créés, qui ont été créés. Et également, le nombre de jurys a augmenté. Par exemple, à Maradi, l'année passée, ils étaient à, à 10 jurys. Cette année, ils sont à 13 jurys. Si vous mhm. prenez Guiné-Roumji l'année passée, ils étaient à un jury, cette année ils sont à deux jurys. Tibiri Maradi, même chose, ils sont à deux jurys, ça avance de façon explosive dans certaines régions. À Niamey, c'est la même chose, nous sommes à 49 jurys. À Niamey, on a même par exemple des jurys bis. Il y a des jurys où on était incapable de les loger dans un seul local. On était obligé, par exemple, pour les jurys 40, 47, de loger une partie à Isabéry et de créer un jury 47 bis au niveau de Kalmaro. Donc tout ça, là, c'est des innovations. Et en plus, c'est que justement, une autre innovation, il y a jusqu'à... Il y a plus d'une dizaine de filières qui ont été, spécialités qui ont été créées au niveau du bac professionnel. Donc, euh, euh, ce sont notamment. Tout ça là, ce sont des avancées. Ce sont des avancées mmh. significatives. Mmh. Euh, au bac professionnel, avant, vous avez seulement sept spécialités. Donc, les, spécialités classiques qu'on avait, c'est tourisme, hôtellerie qu'on fait à Gadez il y a topographie, il y a production animale, production végétale, c'est à topographie, c'est à surtout, il y a Métré, il y a FC Froid et climatisation, il y a MI maintenance industrielle, il y a IG informatique de gestion, il y a comptabilité. Donc, ce sont les anciennes filières. Mais maintenant, cette année, on a eu quand même l'audace de créer des nouvelles spécialités où nous avons enregistré quand même des taux euh, de réussite formidables. Et il faut se dire qu'au niveau du bac professionnel, ça avance et technique. Nous avons un taux de réussite de plus de 50%. C'est au niveau du bac général, série A4, A8, série D, c'est là que ça. Que ça a Ça, ça voilà. Maintenant, au niveau du bac professionnel, les nouvelles spécialités dont j'ai parlé tantôt, ce sont notamment. Il y a SFS, soudure, forge, serrurerie. Il y a MUE, maintenance informatique et électronique. Il y a BTM, bâtiment. Il y a ELM, électromécanique. Il y a PLB, plomberie il y a SC, secrétariat comptable, il y a EE, e, électricité, équipement, il y a CM construction métallique, il y a MRA mécanique réparation auto, il y a MT métro topo, il y a CI comptabilité informatique. Ce sont des, des spécialités des filières professionnelles où vraiment grâce à Dieu avec le bac technique, on a dépassé les 50 et ce sont des choses très pratiques. Donc je pense que beaucoup de choses sont à faire au niveau du baccalauréat d'enseignement général. Il faut mhm. vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Moussa Bizo, président ASOEPT, depuis l'an 2000, chaque année, la coalition des ONG, associations et syndicats du secteur de l'éducation pour une éducation pour tous ASOEPT mène des actions de plaidoyer en faveur de la qualité de l'éducation au Niger. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement Bien, merci Mokhtar pour euh, vraiment cette tribune que vous nous offrez. Je salue aussi au passage mes collègues qui sont avec nous pour ce débat. Et ASSO EPT, comme vous l'avez dit, euh, c'est une euh, grande organisation qui œuvre dans le cadre de la recherche de la qualité de l'éducation, notamment à travers des plaidoyers, des recherches, actions et même à certains égards dans les cadre de production que nous faisons. Et nous faisons sortir des documents qui vont permettre euh, de faire un rapport des fois alternatif par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre de nos politiques. Et ce qui ne marche pas, peut-être, je crois déjà, je dois remercier au passage euh, mon collègue Giro qui a déjà euh, ébauché, docteur qui a ébauché un certain nombre, en tout cas, de contraintes qui sont liées à notre secteur. Notamment la baisse des niveaux. La baisse des niveaux. À ce niveau, moi, je pense en tant qu'acteur qui fait d'analyse et même des études dans ce cadre-là, les points les plus saillants sur lesquels on peut mettre l'accent, c'est d'abord la question, il y a notre curriculum qu'il faut revoir parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Quand on fait des examens et qu'on constate des années durant, on n'arrive pas à redresser notre système malgré tous les moyens qui sont mis en œuvre et toute la volonté politique des fois qui est engagée dans ce secteur-là. Il va de soi qu'on regarde est-ce que notre curriculum est bien adapté à notre système. Le deuxième aspect, c'est d'abord aussi les temps scolaires, puisqu'il n'est un secret pour personne. Même s'il faut le relever, ces deux dernières années, il y, a eu un calme relatif par rapport au débrayage, que ce soit du côté des enseignants ou même du côté des élèves. Il n'y a pas eu assez de mouvements. Le plus souvent, le temps scolaire est gaspillé. Et vous savez, quand on gaspille, il y a des arrêts de travail pour une raison ou pour une autre. On empiète sur la euh, tenue euh, effective des programmes qui doivent être euh, exécutés. Un autre point non moindre, c'est par rapport à la qualité, euh, sur la qualité de l'éducation. il a un peu relevé, c'est euh, la question des enseignants. Nous sommes des enseignants, il faut que nous remettions en cause un moment. Et ça, je crois, c'est dans les cadres, euh, au niveau même du ministère, puisque aujourd'hui, vous pouvez avoir au niveau de différentes matières, il n'y a pas le respect de ce qu'on appelle les profils matières. Quand on veut à ce qu'un système soit de qualité et qu'il soit un système qui puisse sortir de l'ornière, je ne pense pas qu'on puisse permettre à n'importe qui, ça vraiment, je pèse mon mot, d'enseigner une matière qui n'est pas la sienne. Surtout au niveau de l'enseignement puisque c'est, il faut le reconnaître, l'enseignement a horreur de l'improvisation. Même un enseignant, si vous levez, même si c'est votre matière, vous partez dans la classe. Si vous n'êtes pas dans des conditions idoines, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas dans les conditions psychologiques de faire un cours. Ça, c'est certain. Vous allez voir la différence entre les cours réguliers que vous avez l'habitude de passer et ces cours-là du jour où vous n'êtes pas dans les très bonnes conditions de le faire. À plus forte raison, quelqu'un peut-être pour juste la recherche de la il faut le reconnaître, il accepte d'enseigner une matière qui n'a pas la sienne. Aujourd'hui, ça, là, ça empiète sur les connaissances des enfants parce que quelqu'un l'a dit, qui, doit qui est un psychologue, par exemple. Je m'excuse peut-être, de, je ne fais pas de la stigmatisation par rapport à telle ou telle discipline, mais qui va enseigner SVT. Même si ailleurs on peut le faire, ça ne devrait pas être quelque chose de généralisé. Peut-être certaines poches, s'il n'y a pas, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, dans presque tous les secteurs, et du reste, même le gouvernement l'a reconnu, puisque nous, en tant qu'organisation réseau, nous assistons à la révision de presque toutes les politiques éducatives, notamment le programme sectoriel de l'éducation et la formation, qui est aujourd'hui une référence dans les cas de politique éducative Aujourd'hui encore, l'État est revenu sur cela puisqu'on est en train d'adopter ce qu'on appelle les plans de transition d'éducation pour corriger un certain nombre d'états qui sont remarqués par rapport à ces programmes sectoriels. Donc même au niveau de ces analyses, le gouvernement est conscient de cet aspect puisque ça a été relevé et ça a été discuté par rapport à cette question du respect profil en ces matières. Il y a un autre aspect, c'est la question de, des choix. Moi, je dirais peut-être les choix des sujets ou peut-être les sujets peuvent être choisis en amont si au terme d'une exécution d'un programme on exécute peut-être un programme à 30 ou 40 Peut-être pour pallier au prix pressé ou peut-être être, se prendre un peu à temps. Cette année, vous avez dit qu'il y, a eu moins de débrayages. Il y a eu moins de débrayage. Les, les programmes scolaires ont été euh, exécutés. Logiquement, logiquement, on doit s'attendre. C'est la contradiction qui frappe tout le, tout le monde. En tout cas, même le commun du mortel, même celui qui n'est pas pédagogue, il n'est pas du secteur, il doit se poser cette question. Depuis 2013, peut-être un, peu au-delà, c'est le taux le plus bas qu'on ait acquis. Alors, que le plus souvent, on, a accuse les grèves, que ce soit ou des élèves. Mais cette année, il n'y a pas eu ces débrayages. Mais mm. malheureusement, les taux a chuté. Ça veut dire qu'il faut chercher les problèmes dans certaines situations, pas au niveau de, de ces ou bien au niveau de ces temps scolaires. Moi, c'est en sens, je dis vraiment, il faut revoir ces programmes-là. L'autre aspect, Irola, si bien dit, peut-être il y a des jurys qui ont été. Ce matin, je viens d'avoir l'information qui conforte peut-être un peu mon analyse par les passés, c'était 300, un jury de 300. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 600. Or, moi, je suivi, pendant même le déroulement des examens, ce qui n'est pas intéressant, des enseignants qui fustigeaient le fait qu'on leur ait saisi du fait qu'ils soient des correcteurs autres. Ça veut dire cette information euh, un peu contradictoire par rapport au souci de, parce que eux c'est des techniciens, et c'est pas eux qui fournissent les moyens pour le faire. Peut-être je peux comprendre et qu'ils sont au niveau des services d'examen. Ils vont répondre au en fonction de l'enveloppe qui leur avait été octroyée. Ça veut dire ici à ce niveau-là, cet effectif qui a été euh, encore allongé et qui peut créer des problèmes puisque si Hiro l'a relevé, c'est pas pour rien. Il faudrait peut-être que l'État songe à revoir l'enveloppe. Si c'est par rapport aux, difficultés financières qu'il faut revoir l'enveloppe en fonction des gilets pour diminuer, ma foi c'est pas intéressant parce que moi j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu nos collègues, les enseignants décriés, qui sont au niveau d'examen. Vous êtes en plein examen, on vous dit Ah, vous, vous ne faites pas partie de ceux qui vont être les correcteurs. Ça veut dire les gens, peut-être, euh, quelque part, moi, j'ai même peur par affinité ou par respect aux autres collègues qui ont été mis à l'écart. D'autres, les anciens qui ont été retenus peuvent se sentir frustrés. Et les, élèves peuvent être victimes, ça peut être l'écart, ils peuvent être victimes de cet état de fait. Et c'est pour cela, moi, je me dis, puisqu'il y a des fois des situations qu'il faut éviter, surtout quand on est en plein examen. Moussa Bisou, quelles seront les conséquences de ces mauvais résultats pour l'État, les élèves, bref, pour l'école dans son ensemble D'abord, pour l'État, vous savez, même un simple, quand je prends un simple redoublement au cours d'une école, c'est un gaspillage de Surtout pour l'État. Parce qu'aujourd'hui, les élèves qui ont, euh, pour un échec, je crois, de 113 et quelques, c'est fastidieux pour notre État. Le gaspillage est énorme. Chaque élève qui redouble, des fois, il occupe et la place, c'est même pas des fois, c'est toujours la place d'un autre élève qui est censé venir peut-être passer à cette classe-là. Et dans un contexte de, de de, ressources pour notre État, le Niger, et même l'insuffisance des infrastructures, le redoublement favorise la déperdition scolaire et donc un gaspillage nombre de ressources. Maintenant, pour les élèves, ce n'est un secret pour personne. Un élève qui échoue à son bac, peut-être qui a passé toute une année espérant qu'il va réussir à, se ses âmes et qu'il se trouve deux fois peut-être sur des raisons, surtout quand les raisons qui sont avancées le plus c'est des sujets qui ne sont pas adaptés ou qui ne sont pas des sujets qui ont été vus en classe ou par, rapport, par rapport à l'exécution du programme. Je crois, là, on fait du tort à l'élève. Et ça devient déjà une difficulté. C'est là encore la chance de reprendre. Non seulement elle va être un élève déjà découragé parce que l'échec, déjà, ça décourage. Il faut des conditions psychologiques, de support pour que l'enfant puisse les surmonter. Et par rapport aux parents, aujourd'hui, vous le savez, notre système, je dirais presque à 70%, il est supporté dans la majorité des cas par les, par les parents. Même si l'État prend en charge les infrastructures, les, les, les livres et autres, aujourd'hui, avec ces processus de prendre les cours des maisons ou des cours des... Même au niveau des écoles publiques, hein, il y a des, des, parents qui payent presque les mêmes montants qu'ils payent au niveau des écoles privées. Donc je crois là aussi, c'est une diminution des revenus des ménages. Nous avons besoin de ces, de, ces élèves qui admettent au bac, peut-être même pour certaines écoles. Moi, je suis en train de voir même au niveau des écoles normales aujourd'hui, si on a besoin de recruter des instituteurs, des, bacheliers, on sera confronté à un problème de vivier parce qu'on n'a pas assez d'élèves qui sont admis. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui risqueraient de... parce qu'elles ont fondé l'espoir c'est les nouveaux admis. Et par manque d'admission aujourd'hui, avec ces faibles taux d'admission, ça veut dire que c'est une perte énorme, non seulement pour la suite, mais pour l'État, on n'en parle même pas. Parce que quand, nous avons, quand vous faites un examen, vous organisez un examen, c'est pour que tout le monde puisse avoir 100% d'admission au niveau de son école, au niveau de, son système. Mais quand on, se trouve avec 113 et quelques d'échecs, je pense aujourd'hui, ça doit inciter tout le monde. là si bien nous devons tous nous remettre en cause. Parce que notre système est en train d'être défaillant. Et même pour l'avenir, ce sont ces mêmes élèves qui vont être admis, qui sont seront à mesure de fréquenter les, grandes écoles comme les universités. Ça veut dire que ce n'est pas seulement au niveau de, des écoles de formation. Même à l'avenir, on n'aura pas, en tout cas, on risquerait d'avoir euh, peu de main-d'œuvre qualifiée pour euh, euh, supporter l'économie nationale, puisque ce sont eux qui sont l'avenir de demain. S'il y a un échec énorme au niveau de, ces admissions-là, ça veut dire que notre économie risquerait d'en partir dans les années à venir. Soumeila Oumarou, comment expliquer cette baisse récurrente des résultats du baccalauréat au Niger monsieur euh, bonjour euh, chers camarades, chers collègues. Par rapport à la, euh, à la baisse des nouveaux, nous avons su, nous avons vu avec tous nos concitoyens, lorsque le service des examens du bac de l'Université Monde de Niamey avait proclamé les résultats qui ont fait 26% au taux national. Donc nous ne sommes pas en fait surpris de ce résultat dans la mesure où il y a plusieurs facteurs qui concourent à, en tout cas, à la faiblesse de ce résultat-là selon les analyses que nous avons menées. D'une part, la part la plus importante, c'est en fait la part de l'État. Je dis la part de l'État parce que c'est l'État qui organise. Lorsque l'État organise, l'État a le devoir de mettre dans les conditions minimales les acteurs participants, n'est-ce pas, à, la conduite de ces examens-là. Si vous prenez par exemple les enseignants au nom desquels <laughs> je suis là pour me prononcer ce matin, voyez bien qu'il y a un certain nombre de, un certain nombre de frustrations est là, lorsque le camarade euh, dit que, par exemple, les enseignants qui sont partis pour la correction, en tout cas, c'était la première fois. Pour ne pas parler encore du récurrent problème du reliquat du bac, j'aimerais juste j'aimerais aller tout droit sur le terrain. Des, camarades qui ont reçu leur convocation pour aller euh, dans le cadre du bac. Maintenant, vous partez au bac, après, on vous dit que non, on ne peut pas retenir tout le monde. Pour la correction du bac, il faut que certains reviennent. Alors que sur l'ordre de mission, cela n'a pas été précisé. Donc, nous, nous avons posé la question, en tout cas au niveau de la FSS, de savoir comment est-ce que que je parle du traitement qui est réservé à l'enseignant en tant qu'acteur principal du système éducatif. Donc, pour dire que les enseignants ne sont pas dans les conditions. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de le dire, si, si nous voulons vraiment que notre système éducatif soit performant, qu'il soit au rendez-vous, qu'il soit vraiment euh, à, nos attentes, il faudrait bien que l'enseignant, qui est le, le noyau autour duquel euh, le système éducatif est en train de tourner, il faut véritablement que cet enseignant-là, il faut que l'État revienne à la raison pour savoir qu'on ne peut pas avoir un développement, en tout cas d'un système éducatif, sans pour autant que l'enseignant ou les enseignants soient dans les conditions de travail. Pour parler de la question des pécules, par exemple, vous savez que le corps enseignant aujourd'hui, est composée à plus de 80% des enseignants contractuels. Et c'est cette majorité d'enseignants-là qui ne sont pas dans leurs conditions. Par exemple, lorsqu'il faut attendre, par exemple, vous êtes dans une, même, dans une école avec des camarades qui sont, qui sont titulaires, par exemple. Là, vous avez des classes côte à côte, vous avez le même salaire, vous avez la, masse, la même masse horaire, mais l'enseignant titulaire, il est payé au moins deux fois avant que vous vous réussissiez votre, votre, votre gagne-pain. Voyez-vous, donc là, en tout cas, comme le disait Marx, ce n'est pas effectivement la conscience qui détermine l'être social, mais ce sont ces conditions matériel d'existence. Donc il faudrait bien qu'on le veuille ou pas, nous en appelons vraiment à la responsabilité de ce gouvernement-là de mettre les enseignants dans les conditions de travail pour pouvoir atteindre un résultat. Pour les grèves, véritablement, il n'y a pas eu de grève cette année. Mais moi, je suis sûr que pour ceux qui s'en rappellent, en tout cas la FESES, la FESES, la c'est La donc, c'est la Fédération des syndicats des, enseignants, des enseignants du, secondaire et de la formation professionnelle. Donc, avait engagé euh, des mouvements par rapport à, toutes ces questions, notamment l'interdiction des, des, cours, cours de soutien de l'établissement scolaire par le, ministre de l'enseignement secondaire. Donc, pour dire que euh, même s'il n'y a pas eu de grève, en tout cas, comme on, a coutume de le voir au Niger, puisque c'est relativement aux années précédentes que nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas eu de grève moi, je sais que la FESES quand même a eu à faire des débrages par rapport à, à sa plateforme revendicative. Soumaïla Oumarou, quels pourraient être les impacts euh, de ces mauvais résultats pour l'école nigérienne oh, Évidemment que ceux qui sont admis, ceux qui sont admis, nous les félicitons et en même temps nous félicitons vraiment euh, les enseignants qui avaient fait en sorte qu'ils soient ainsi. Mais ceux-là qui ne sont pas admis, aujourd'hui, ils sont, ils sont vraiment dans une situation inconfortable. Puisque voyez-vous, comme l'a souligné le camarade Bizou, tu fais un an en train de préparer un examen et qu'au finish, tu te retrouves vraiment de, l'autre côté. On a coutume de dire que l'échec n'est pas une défense Hein, c'est plutôt une référence Oui, plutôt, ça, dépend de l'angle sous lequel vous vous situez, bien sûr. Pour certains, vraiment, euh, l'échec, l'échec, c'est vraiment une expérience. Quelles seront les conséquences pour le pays Les conséquences euh, sont d'ordre économique d'abord. Il faut savoir que l'État investit de l'argent dans la formation d'abord, dans la formation. L'État et ses partenaires. Oui, l'État et ses partenaires. Dans la formation, c'est-à-dire même le, le là qui n'arrive pas à temps qu'il est en train de verser. Ensuite, les infrastructures dont il parle toujours. Donc là, vous voyez que c'est vraiment du gaspillage économique. Et sur le plan moral, vous vous allez voir que c'est des élèves qui sont aujourd'hui, euh, ils, sont déroutés. En fait, ils sont sans repère. Donc, il va falloir que vraiment euh, l'État pose le problème même du curriculum, comme l'avait dit le camarade. Il faudrait que, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas eu de grève, les, les, moyens ont été mis et que les résultats ne sont pas, ne sont pas aux attentes. Donc, il faut véritablement revenir pour voir concrètement qu'est-ce qui ne va pas et poser le diagnostic. Docteur Hirotanimono, comment renverser la tendance Merci docteur. Donc moi je pense qu'il y a un certain nombre de pronostics qu'on peut, qu'on peut quand même euh, ébaucher. D'abord au niveau de l'État, moi je pense qu'il faut plus d'implication, euh, il faut plus d'investissement. Vous avez évoqué tantôt la question des reliquats. Et là, il y, a, une incompréhension souvent entre la direction des enseignants et des examens du bac et les enseignants. Parce que souvent, euh, nos collègues enseignants pensent justement que c'est la direction des examens du bac qui refuse de payer. Alors que c'est du ressort de l'État, C'est du ressort de l'État. C'est l'État qui donne les moyens. L'État fait beaucoup. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Moi, je ne représente pas un syndicat ici. Mhm. Je représente une administration. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il faut plus d'implication. Donc, euh, si vous prenez par exemple les reliquats 2017, nous sommes en 2019. Il a fallu quand même euh, en juin 2019 pour que ça soit payé. Les reliquats 2018, Là aussi, parce que euh, en tout et pour tout, un budget de 1 milliard euh, et quelques millions ont été débloqués. C'est dedans on a pu payer les reliquats 2017. C'est également dedans il restait 60 millions si on a entamé le paiement du reliquat 2018. Le reliquat 2018 il est de 400, 400 et quelques millions. Et actuellement, depuis euh, deux semaines, le mandatement a été déjà fait. Tout le monde le sait. Donc, au niveau du Trésor, pour débloquer 300 millions et ça va permettre d'éponger quand même les reliquats 2018. Et je pense que si on parvient à les faire, ce, serait une avancée parce que souvent, il faut que l'année tourne pour qu'on les paye. Psychologiquement, pour des gens qui partent en mission, je pense qu'on doit quand même euh, les soulager, on doit les mettre dans leurs droits. Ça, c'est le premier aspect. Il faut beaucoup plus de moyens du côté de l'État. Il faut euh, plus d'investissement, n'est-ce pas Et le problème des moyens également, euh, par exemple, nous, au niveau de la direction des examens du bac, ces questions-là ont amené l'université à demander la création de l'office. Au fait, euh, on suit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est l'université qui a demandé la création de l'office. Parce que objectivement, on ne peut plus. Il y a des problèmes objectifs qui sont là. Pour optimiser la gestion et l'organisation des examens du bac, aujourd'hui, l'université, elle est débordée. C'est l'université qui a demandé que cet office soit créé. Et Dieu merci, eh, eh, le gouvernement a pris acte. Déjà, vous le savez, les décrets, les statuts, tout est sorti. Aujourd'hui, je vous assure, du côté de l'université, on est même pressé que cet office-là voit les jours. C'est nécessaire. Avant, c'était maîtrisable. Maintenant, c'est des choses qu'on ne peut plus maîtriser. Vu le nombre de candidats, Et, ça exige beaucoup plus, un nombre beaucoup plus important de correcteurs. Voilà, où vous avez, on pouvait dans les temps prendre 2000, 1500 correcteurs. Maintenant, il faut prendre 2900. Il faut prendre autour de 3000 correcteurs. Et parfois, c'est insuffisant. Et tout ça, ça pose des problèmes, ça a des répercussions sur les taux de réussite. Parce qu'un enseignant qui a une journée pour corriger 50 copies, il va prendre son temps. Un enseignant qui a une journée pour corriger 100 copies, avec les nombres pléthoriques, il peut bâcler la correction. Souvent, on peut raisonner en termes de reliquats. La copie, c'est à 450. On sait de quoi on parle. C'est important, toutes ces choses-là. Donc là, il faut revoir beaucoup de choses. En dehors de ça, moi, je pense que au niveau même des enseignants, le camarade Buzo et le camarade Omar l'ont évoqué, il faut voir beaucoup de choses par rapport à la qualité de l'enseignement. Il faut une adéquation entre le profil et la matière enseignée. C'est important. Nous n'avons rien contre nos amis qui enseignent on a beaucoup d'amis qui enseignent. Il faudrait quand même avoir un souci de la qualité. Il faut aussi l'engagement des parents d'élèves. Il faut aussi l'engagement des parents d'élèves. En fait, les parents d'élèves doivent suivre les enfants. Hmm? Aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes. L'enfant est dans sa chambre, on pense qu'il est en train de d'étudier. Parfois, les WhatsApp, Facebook, nous-mêmes, les grands, ça eh, nous empêche. Même les séries télévisées. Même les séries télévisées avec les canals, machin. Tout ça là, il faut des violences, il faut imposer un comportement à l'enfant. Parce que rationnellement, les taux d'échec là, ça ne s'explique pas. Autre chose, euh, Omar l'a dit, hein, moi je pense que euh, si on veut un bon système, si on veut des résultats, il faut mettre les enseignants dans les conditions. Euh, il faut mettre les enseignants dans les conditions, les PMA des pécules, les PMA, j'ai parlé des reliquats, tout ça, il faut les mettre psychologiquement. Ça les met dans une position quand même de produire le meilleur, d'offrir le meilleur d'eux-mêmes. Moussa Biso, le Niger peut-il améliorer son système d'enseignement en se basant sur le financement extérieur Bien, je crois que c'est une question un peu délicate puisque effectivement pour un pays pauvre comme le Niger, il serait tout à fait difficile de penser que nous pourrons financer de façon globale notre système éducatif. Cependant, je pense que nous pouvons faire l'effort quand même que l'appui extérieur puisse être euh, juste un appoint à notre État. On ne devrait pas attendre euh, de façon exagérée à ce que le financement dans sa globalité puisse être supporté par l'aide extérieure. Un système qui est supporté euh, en grande partie par l'extérieur ne peut pas être productif. À ce niveau, je pense déjà les démarches, je ne peux pas parler au nom du gouvernement, mais puisque je l'ai répété au au début de mon intervention, nous participons à un certain nombre, en tout cas, d'activités par rapport aux, réformes des politiques éducatives. Je pense que le gouvernement est en train de prendre conscience de son rôle fondamental, non seulement par rapport à, l'échec scolaire et par rapport même à son devoir de faire en sorte que notre école soit une école de qualité. Et à ce niveau, des grandes réformes sont en train d'être entreprises, notamment à travers euh, ces plans de transition de notre système éducatif qui va de 2020 euh, à 2022. Je pense qu'il y a des choses vraiment importantes qui sont en train d'être faites. Cependant, Maintenant, en dehors même de ces financements, euh, les points aussi sur lesquels peut-être il faut revoir pour que notre système puisse être un système euh, rentable, c'est la question, moi je crois même, euh, de la pléthore de nos établissements. Quand un enseignant se retrouve peut-être avec un nombre important, plus de 50-60 élèves par classe, alors que la norme, même ce que nous sommes en train de diviser à travers les programmes de transition et de 42 peut-être enseignants, 48 élèves par enseignant, je pense que ça peut aussi être l'un des, facteurs qui entrave la bonne réussite de nos systèmes éducatifs. Quand vous avez plus d'élèves auxquels vous devrez faire face pour un enseignant, c'est fastidieux de faire euh, en sorte que cet ensemble d'élèves puisse vraiment acquérir un certain de connaissances. Vous voulez dire qu'il faut qu'il y ait plus d'infrastructures, plus d'enseignants Voilà, plus d'infrastructures et plus d'enseignants parce qu'il n'est un secret pour personne aussi dans beaucoup de contrées. Il y a des, des endroits où vous manquez de, des enseignants, notamment dans des matières, des fois, je ne dirais pas fondamentales, mais telles que les maths, les physiques, chimie. Il y a des, des régions, en tout cas, qui presque un trimestre, sinon même plus, n'ont pas ces enseignants. Donc, il faut aussi songer peut-être, euh, c'est vrai, le redéploiement peut faire tout de suite euh, peur. On va penser peut-être on va affecter des enseignants à n'importe quelle pièce. Mais pour nous, il faut que l'allocation des ressources humaines, notamment des enseignants, soit une, une gestion optimale. Ça veut dire quoi Ça veut dire on doit tenir compte de la carte scolaire. La carte scolaire, c'est elle qui détermine où est-ce qu'on doit construire un établissement, où est-ce qu'on ne devrait pas le construire. Ce n'est pas peut-être à travers les déshydratats ou la volonté des hommes politiques ou peut-être d'un homme influent de la région qu'on peut créer un établissement, alors que déjà, il n'y a pas nécessaire de créer. Plus on crée, plus on, on, crée encore des conditions d'avoir plus d'enseignants au moment où nous ne l'avons pas. Donc ces aspects aussi peuvent être euh, un facteur de, blocage et qui crée même le manque de qualité parce qu'on crée des écoles qui sont de proximité. Même pour les pouvoirs en enseignant, c'est un problème. Ça aussi, cette allocation de ressources, elle doit être optimisée. Surtout de revoir aussi là où il y a une certaine concentration d'enseignants. On peut faire l'examen de façon minutieuse sans faire des redéploiements ciblés parce que c'est que le plus souvent les enseignants peut-être peuvent contester ou le corps c'est de voir peut-être euh, des fois certains redéploiements n'obéissent pas aux règles qui doivent euh, vraiment les, régir. Mais si on doit le faire parce que tout simplement on sait que tel euh, établissement a plus d'enseignants qu'il en faut, je crois que les enseignants ne seront pas contre qu'il y ait ces redéploiements pour pouvoir les établissements qui l'ont pas. Mais dans le fait, peut-être c'est de dire que ça doit obéir. Les mêmes règles doivent être appliquées à tous les niveaux et qu'elles ne s'appliquent pas seulement peut-être, bon, c'est pour telle ou telle catégorie ou corporation ou pour régler tel ou tel problème à X ou Y. Tant que nous ne faisons pas, nous pensons à tous ces aspects, nous pouvons euh, penser que l'école c'est parce que c'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, nous devrons tous nous remettre en cause, enseignants, partenaires, États et tous ceux qui interviennent, comme les parents d'élèves. L'échec de notre système éducatif aujourd'hui, 13,44% si je ne 73,44% d'échecs au, au, bac. Vraiment, c'est quelque chose qui devrait nous faire, euh, je ne dirais pas, en tout cas, ça ne fait pas rire, même si ça ne nous fait pas plaire. Ça doit nous inciter à nous interroger, à nous remettre en cause. Parce que notre système est un système qui est en train d'aller vers la décadence et nous n'avons pas besoin de cela, surtout pour un pays pauvre comme le Niger comment améliorer la qualité de l'éducation selon vous Pour améliorer la qualité de l'éducation, je ne cesse pas de le dire, euh, le gouvernement, surtout en tout cas qui est euh, le plus grand partenaire, en tout cas il doit créer les conditions pour que euh, cette école-là marche. En faisant quoi En réglant les problèmes les problèmes auxquels les, élèves font face. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes de pléthore au niveau des classes, avec des classes qui sont, qui sont vraiment jonchées d'élèves au point où l'enseignant ne pouvait même pas exercer convenablement sa mission. Parce que l'enseignant, il doit tourner dans la classe, euh, il doit, doit voir ce que les uns et les autres font. Mais vous voyez qu'avec le nombre important d'élèves, le nombre pléthorique d'élèves dans la classe, l'enseignant, il est coincé juste au niveau de son bureau. Puis même pas descendre de la strade. Donc, il va falloir que cet État-là crée davantage de conditions, augmenter les infrastructures et faire en sorte que les classes soient décongestionnées. il faut aussi ajouter le nombre d'enseignants. Puisque aujourd'hui, moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas parler comme les autres pour dire qu'il y a, a quelqu'un qui a, qui a un diplôme en psychologie, l'enseignant CVT... Moi, je pense que c'est la faute à l'État, puisque les enseignants ne sont pas recrutés. Si vous prenez aujourd'hui de l'enseignement de base à l'enseignement secondaire, il n'y a pas de recrutement. Je ne parle pas de recrutement à la fonction publique, je parle de recrutement des enseignants contractuels. Il n'y en a pas. Donc, il est bien normal qu'il y ait une pénurie d'enseignants, même si les jeunes ne veulent pas qu'on en parle. Nous avons des camarades aujourd'hui qui sont euh, dans, les régions qui, en tant que directeur d'école, il enseigne au moins trois matières. Mais comment voulez-vous que ça ne soit pas ainsi Puisque lui, son devoir, c'est de voir les enfants réussir pas se soustraire à cette obligation-là. Donc l'État, véritablement, a l'obligation de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'enseignants en qualité et en quantité. Je parle aussi des parents d'élèves. Aujourd'hui, le parent d'élève, il a un rôle non négligeable à jouer dans le cadre de, la production de, de, la performance de, l'enseignement. En quoi faisant En soutenant les élèves, en contrôlant ce que font les élèves et vraiment en encourageant, en encourageant les enseignants. Par exemple, lorsque l'enseignant dit que l'école ne va pas, le parent d'élève ne va, ne va pas se cacher. Le parent d'élève, il doit apporter main forte. Nous avons vu au Niger ce qui est lamentable. Dans toutes les luttes que les enseignants ont engagées, les parents d'élèves sont là en train de croiser les bras. Ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est d'envoyer leurs enfants au privé. Alors ce n'est pas la solution. L'école publique, c'est l'école mère et on doit apporter tout le soutien nécessaire pour que cette école aille de l'avant. Soumel Omoru, vous avez parlé de l'obligation de l'État, de l'obligation des parents d'élèves. Et qu'en est-il de vos devoirs Nous, l'enseignant, en tout cas, euh, c'est parmi, parmi, les, parmi les travailleurs qui obéissent convenablement à leurs devoirs, on peut citer l'enseignant en exemple. Pour la simple raison que l'enseignant, lui, il est de sa classe à 8 heures. On peut vérifier sur le terrain. Dans les services, on peut voir les services de santé, en tout cas tous les services confondus, on peut vérifier que l'enseignant, c'est celui-là qui se fait le devoir d'être en classe à partir de 8 heures, comme le veut la réglementation, et qui est là, qui se soucie. L'enseignant, il est là, il se soucie du devenir de ces enfants-là à lui confier par l'État et par les parents d'élèves. Donc nous, notre devoir, nous l'avons toujours fait et nous allons continuer à le faire. Soumaïl tout à l'heure, Bizo avait parlé de la bonne préparation des cours avant l'école. Une bonne préparation suppose d'abord euh, une bonne formation. Moi, je pense que la formation, c'est l'État qui donne la formation. Et on voit même sur le terrain qu'aujourd'hui, il y a même des enseignants qui sont là, qui payent même de l'argent pour se former. Par exemple, on avait vu en amont à, cette question d'évaluation au niveau des, enseignants du secondaire, il y a déjà des syndicats qui sont là, par exemple l'Union générale des enseignants du Niger, dont je suis euh, le secrétaire général deuxième adjoint, qui est là en train de vouloir faire une formation avec des conseils, avec des conseils pédagogiques, des inspecteurs pour euh, recadrer, amener son appui pour que les enseignants reviennent vraiment faire la tâche comme il le faut. Donc je rappelle au niveau de l'enseignement secondaire surtout, la plupart des enseignants, en dehors de ceux qui font le DAPCG, n'ont pas la formation pédagogique. C'est sur le terrain qu'ils se forment à travers les conseils pédagogiques, à travers les inspecteurs et à travers les UP. Donc, à ces niveaux-là, il faut véritablement que l'État revienne pour que les enseignants soient formés. Puisque si on ne te forme pas, qu'est-ce que tu vas faire Je pense que ce n'est pas la faute des enseignants, puisque l'enseignant, lui, il a un souci de sauver son pays. Et il va faire le travail autant qu'il peut. Docteur Hirotanimou, quels sont vos conseils, recommandations pour remonter la pente oui, merci Mokhtar. Je pense qu'on a, on a véritablement dit l'essentiel. Euh, les recommandations au niveau de l'État, c'est vraiment plus de moyens, plus d'investissement. On ne dit pas que rien n'est fait. Beaucoup de choses ont été faites. Euh, je pense qu'il faut aller encore plus de l'avant. Voilà, au niveau de l'État, il y a cela, il y a un autre facteur. Effectivement, il faut investir dans la formation des enseignants. Omar l'a dit, c'est important parce qu'un enseignant bien formé, il donne forcément le meilleur de lui-même. Ensuite, il y a un aspect très important, c'est l'exécution du programme. Parce qu'au niveau du bac, hein, c'est des sujets qui sont proposés dès le mois de décembre, janvier. Les gens commencent à travailler, c'est des commissions. Donc, on estime, on considère que l'année, elle va. Le programme est exécuté. Donc pas de retard académique, pas, de, euh, pas de grève euh, perlée. Voilà, justement, bon, en fait, déjà en janvier, parfois, certains sujets sont déjà proposés. Alors, l'année finit en juin. Donc, pour des sujets qu'on retient en janvier, février, on ne peut pas savoir si on a fini ou pas. C'est-à-dire que ça peut être une cause des échecs. Et ce n'est pas aussi une excuse. Est-ce que vous voyez Donc, c'est important qu'on s'implique les grèves, quand même, les syndicats, on ne peut pas les empêcher. Hein. Je suis syndicaliste avant tout, Mokhtar. C'est important, je ne vais pas tomber dans mon propre piège, n'est-ce pas <laughs> La dernière chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment les questions des fraudes. Je pense que cela, il participe de l'intégrité. Il faut que là, on interpelle et les enseignants et les élèves. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de fraude. Il y a des petits micmacs au niveau de certains jurys. nous, au niveau de la direction des examens du bac, carrément, on a une liste noire. Toutes choses, en tout cas, suspectes. Parce que, en fait, il ne s'agit pas d'avoir n'importe quel résultat à n'importe quel prix. Au niveau des élèves eux-mêmes, il y a des problèmes. Quand un élève pense qu'il peut avoir le bac même s'il ne travaille pas, eh bien, il ne va pas travailler. Et si les gens, les élèves, des élèves des candidats ont le bac alors qu'ils ne l'ont pas mérité, demain on va avoir une société médiocre parce qu'ils sont arrivés par la petite porte et ils vont cultiver la médiocrité et ça va pourrir toute la société. Donc il faudrait exhorter également les élèves à plus de force. Il faut que les élèves réussissent avec leurs propres efforts. Ce qui s'est passé cette année, c'est déplorable, je vous l'ai dit. Moussa Bizo, ce que Dr Tanimou Hiro avait évoqué, la fraude. Vous qui militez pour la qualité de l'éducation, dans quelle mesure l'État peut éradiquer cette fraude Bon, on peut éradiquer la fraude, euh, puisque moi je crois d'abord au niveau des choix du sujet, les fraudes ne se posent pas. Maintenant, la fraude telle qu'elle se passe, ce n'est même pas les phénomènes de fraude qui hantent le plus souvent la conscience des, des élèves, c'est plutôt les fausses rumeurs. Puisque vous allez voir à la veille des examens ou à une semaine des examens, les gens se passent. c'est ça la recherche de la félicité dont le docteur exactement, avait évoqué. Exactement, voilà. Donc les gens se passent d'informations du sujet, peut-être qu'on ramasse des fois, c'est même des épreuves de, de, la sous-région ou ailleurs, et on dit, ah, voilà un sujet qui va venir. Pour un enfant qui cherche la facilité, dès qu'il voit cela, il va focaliser toute son attention sur ce sujet de cette matière-là. Maintenant, par rapport à des propositions très rapidement, moi je crois que les camarades l'ont proposé, il faut d'abord penser au renforcement des capacités des enseignants. Pour un système éducatif où il y a plus de 80% d'effectifs d'enseignants sont des contractuels, je ne dis pas que sont euh, les plus faibles, mais les moins nantis en termes de formation. Il faut que l'État s'assume par rapport au renforcement des capacités des enseignants. Ça, c'est un. Deuxième aspect, avec ta permission, Mokhtar, oui, moi, je souhaiterais qu'il y ait un forum, ne serait-ce que de l'enseignement secondaire, pour voir à travers les résultats catastrophiques de cette année, qu'est-ce qui n'a pas manqué, où on va regrouper toutes les, en tout cas les potentialités qui peuvent faire un examen de façon consciente voir l'échec-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, est, qui a été vraiment impliqué dans l'échec cette année-là. Les autres aspects, je reviens là-dessus très rapidement, il faut revoir nos programmes, les curriculums. Il faut euh, respecter les profils matière enseignée et le profil de l'enseignant. Il faut songer à des épreuves de remédiation, peut-être la révision des épreuves qui sont proposées. Vers la fin de l'année, en cet temps-là, on aura toute la quintessence du programme, du niveau du programme qui a été exécuté. Et je pense qu'on va aider, on va aider l'État en tant qu'associé EPT, puisque nous sommes dans les plaidoyers. Nous l'avons dit pour que notre système éducatif soit fiable et de qualités. Il faut que nous tous, nous nous impliquions pour nous efforcer à assumer notre responsabilité, la responsabilité de chacun et dans son domaine. La situation de l'école nigérienne doit donc interpeller l'ensemble des acteurs, gouvernement, enseignants, syndicats, parents d'élèves, pour davantage améliorer. Tout le monde le dit, et tous les dirigeants le savent, tous les responsables éducatifs le reconnaissent. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, docteur Iro Hirotani représentant la direction euh, du service des examens du baccalauréat, Moussa Bizo, euh, président de la coalition des ONG, associations et syndicats du secteur de l'éducation pour une éducation pour tous à SOEPT, et Soumaïlou Oumarou de la coordination de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.